le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Seni Ayubakaka. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 94.4 et Infani FM 100 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningauri, Tirozerine, Magaria, Menosoroa, Tamaske, Bouza, Dorbel et Saï notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. L'Assemblée générale élective pour le renouvellement du comité exécutif de l'instance suprême du football nigérien se tiendra le 16 juillet 2017 à Maradi. Six prétendants ont fait acte de candidature et seules les listes de deux candidats ont été retenues par la commission électorale. Le colonel-major Lahima Hamidou, candidat à sa propre succession, et de Salifou Meyaki, ancien membre de la, de la Fédération nigérienne de football, seront face à face pour la conquête du poste de la présidence de la Fédération nigérienne de football.

La FENIFOOT est une association constituée par des membres clubs légalement déclarés et œuvrant dans le domaine du football au Niger. Elle est régie par les textes en vigueur, notamment l'ordonnance numéro 06 du 1er mars 1984, modifiée par la loi numéro 06 du 21 mai 1991 portant régime des associations et la loi numéro, 98-14 9814 du 1er juin 1998 portant orientation, organisation et promotion des activités physiques et sportives. La FINIFOOT est apolitique et non confessionnelle. Elle proscrit toute forme de discrimination politique, religieuse, sexuelle, ethnique ou raciale. Le bilan du président sortant est-il vraiment satisfaisant Si oui, comment se traduit-il sur le terrain Durant ces deux mandats, le football nigérien a-t-il connu des progrès faut-il revoir les textes de la FENIFOOT afin de limiter le nombre de mandats Pourquoi le poste de cette instance est-il très convoité au point de diviser les acteurs au détriment de la discipline Quel est le contenu des programmes de chacun des candidats Nous invités dans ce studio, Galadima Isaka, représentant du candidat Jibril Lahime Hamidou, dit Galadima, bonsoir. bonsoir, Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce forum. Notre invité, c'est Souley Dantani, maître de sport, défenseur de la pratique du football féminin. Maître euh, Monsieur Souley Dantani, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être euh, l'invité de ce forum. Nous avons également invité le représentant du candidat du Salifou Mayaki qui a, qui a en dernière minute désisté à participer donc à ce forum. Malgré cela, nous allons donc euh, tenir ce forum. Mesdames, et Messieurs, bienvenue donc à ce forum. Dans toute élection, le candidat sortant possède au moins pour l'exercice une longueur d'avance sur les autres candidats. Il a l'avantage de faire et de défendre un bilan. Brièvement, Monsieur Galadima, Dressez-nous le bilan du mandat de votre candidat, le colonel Pelé. Bien, merci M. Ayouba. Euh, avant euh, de planter le décor, je voudrais remercier votre organe euh, de médias qui nous donne cette occasion euh, ô combien expressive pour justement parler du bilan du candidat président qui brigue un autre mandat justement pour euh, asseoir euh, ce qui a été fait. Pour parler de bilan en tant que tel, euh, je, ne, je pense que les actions qui ont été réalisées parlent d'elles-mêmes. Vous me permettrez peut-être de faire un petit rappel. Il vous souviendra qu'au lendemain de l'élection du colonel Pelé, le football nigérien était vraiment à la limite de l'isière, comme on dit nous étions plongés dans une situation où, quelque part, on était même presque, presque, hein, je dis, à la cessation des activités en tant que telles. Alors, avec l'élection du colonel Pelé, c'était un nouveau élan qui a été pris. Et les réalisations aujourd'hui, euh, depuis qu'il a pris les commandes, s'il faut le dire, sont là pour euh, le témoigner. Le premier acte posé par le colonel Pelé euh, reste tout naturellement la modernisation et la restructuration de l'administration euh, de l'instance dirigeante. Euh, un nouveau souffle, j'allais dire une nouvelle façon de faire, a été introduite dans la gestion de l'organe dirigeant qui a entraîné un retour à une orthodoxie de gestion, en tout cas meilleure que ce que nous avions connu de par le passé. Au-delà euh, de tout cela, il y, a, également la mise en place de structures spécialisées pour une meilleure coordination des activités. Ces structures-là, peut-être, c'est des structures qui sont logées au sein de, euh, la FENIFOOT, au sein de l'organe dirigeant, qui ne sont pas visibles comme on le dit, mais qui existent réellement, puisqu'elles ont un travail euh, qui est là, qui leur est confié et qu'ils sont amenés à accomplir euh, dans le cadre de la gestion justement administrative de, de l'organe dirigeant. Ensuite, euh, il est arrivé un moment où il y a eu une définition de programme de formation pour les membres de bureaux et structures rattachées euh, à la structure. Donc là également, c'est des programmes de formation qui ont concerné les responsables des structures régionales, les dirigeants des clubs, et également ceux de, de la maison mère. Je vais parler euh, de la Fenifoot elle-même. Les résultats, là également, se passent de tout commentaire puisqu'ils ont permis, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, d'améliorer la gestion administrative euh, de la FENIFOOT. Après euh, cela, on pourra également parler de la mise en place d'une politique sportive axée sur la promotion de nos équipes nationales. Je suis sûr que mon ami peut-être en face va un peu griser parce que il a à charge euh, la gestion du, domaine féminin où beaucoup reste à faire, où, qui, où je peux dire même qu'il est balbutinant, n'est-ce pas Vous me permettez, je mesure euh, mes propos. Donc, euh, je disais qu'on a procédé à la mise en place de plusieurs programmes de, formation pour la promotion de nos équipes nationales. Je m'en vais pour preuve le, le programme mise en place avec euh, Niger, qui a permis justement d'asseoir ne serait-ce qu'une première base euh, des, cadets et qui, selon nous, a servi en tout cas de, de base de travail qui a donné le résultat que nous avions obtenu aujourd'hui. Cela se passe de tout, euh, de tout commentaire. Je, je voudrais également faire cas de ce que nous avions appelé au niveau de la Fédération nigérienne de football le draft planning. Ce programme a permis justement de former les arbitres, les entraîneurs, et à travers tout cela, nous avions pu mettre en place quand même des, des acteurs efficace. Une expertise particulière a été mise à leur disposition qui a permis de leur savoir et de les rendre euh, beaucoup plus productifs euh, euh, dans l'exercice de leurs tâches, les tâches à eux dévolues, bien sûr. Maintenant, vous me permettrez peut-être de m'apesantir sur les réalisations infrastructurelles. Là, le constat est aussi là. Vous pouvez l'apprécier puisque vous avez été à nos côtés, en tout cas un temps soit peu, vous avez vu ce qu'ont été les réalisations, en tout cas au niveau des structures régionales. Je vais prendre pour, exemple la reprise des pelouses de certains stades de, notre pays. Vous avez bien vu, euh, nous sommes passés du, gazon ordinaire qu'on connaît à la pelouse synthétique. Et tenez-vous, la pelouse synthétique, les pelouses synthétiques qui ont été euh, dans certains euh, stades sont vraiment de dernière génération. Ça, je, puis, je puis vous l'assurer. Le travail qui a été fait en région, euh, vraiment, et d'ailleurs beaucoup plus implicite, beaucoup plus important que ce qui a été fait même au niveau euh, du stade municipal euh, de Niamey. il y a également euh, le programme FIFA Goal, c'est le fameux programme qui fait couler tant d'encre et que d'aucuns veuillent bien qu'on l'audite je voudrais au passage leur dire que la FIFA n'est pas une structure informelle, que tout ce qui est fait se fait de, façon formelle, après justement elle nous dit à l'interne euh, de, cette structure. Ce n'est pas comme ça, ou bien parce que juste euh, pour la prumelle des yeux, euh, du colonel Pelé que la FIFA se décide d'écouter, envoyer tel montant pour le Niger pour qu'il fasse ce qu'ils veulent. Non, pas du tout. Il y a un travail qui est fait, on l'évalue, et on, prend des décisions. Et c'est à, partir des décisions prises justement que l'on reconduit un autre programme et vous êtes éligible, justement, pour un autre financement. Au-delà de, tout ça, vous avez le gros bébé, le centre technique euh, de, la FENIFOOT, qui fait la fierté aujourd'hui du Niger. Car au-delà euh, de notre pays, on est en train de parler de ce centre dans les pays voisins et même dans les structures dirigeantes euh, euh, de la structure mondiale, j'avais parlé de la FIFA. Cette structure a fait des émules, puisque la dernière fois, permettez-moi de le dire, quand le président de la fédération nigérienne, euh, béninoise de football était ici, quand on l'a amené, c'est une anecdote, quand on l'a amené, on lui a présenté le centre, il a dit au colonel, mais vous allez me créer des problèmes mes jeunes là, quand ils vont rentrer, quand on va rentrer à la maison, eh bien, ils me diront, président, mais qu'est-ce qui se passe au Niger Nous, nous avions vu des infrastructures et pourquoi pas chez nous Est-ce que le colonel Pelé est beaucoup plus compétent que vous pour que ces genres d'investissement se fassent au Niger et que nous, le Bénin, que nous soyons privés C'est juste pour vous dire que quelque part, quelque chose a été fait. Il y a un travail qui a été fait et nous disions que pour que ce travail soit beaucoup plus euh, accepté. J'allais dire beaucoup plus euh, mieux vu par l'ensemble euh, du monde sportif. Il faudra consolider cela. Et c'est aussi ça le leitmotiv qui conduit le, le président euh, sortant à vouloir euh, remplir pour un troisième mandat. D'accord. Soleil Dantani, est-ce que ce mandat, ce dernier mandat euh, de, du, colonel Pelé, est-ce que les actions qu'il a, son, son bilan, est-ce que ça vaut la peine pour lui d'être reconduit Merci beaucoup, Sain Ayouba. D'abord, je dois remercier la radio Kalangou, le studio, qui nous a donné cette occasion. Que ça fait très longtemps, quand j'ai je cherchais à saisir, je n'ai pas pu parce que ça fait des années qu'on ne m'invite pas à la radio et à la télé pour euh, des raisons que je connais très bien. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Mais aujourd'hui, que Kalangu m'a invité, quand même, c'est une occasion pour moi. Merci beaucoup. Mon ami euh, Galadima, il a parlé des structures. Les structures mises en place. Moi, je vous dis très bien là où je suis. Depuis que Pelé a pris la règne de, de, de la fédération, je suis avec eux. Je ne suis pas membre de la fédération, mais je suis membre des commissions, des différentes commissions là-bas qu'on a composées. Et aujourd'hui, je vous dis, toutes les euh, commissions qu'on a mis en place, il n'y a aucune commission qui est en marche. Et pour vous dire, Issa si s'il m'entend, avant-hier, au téléphone, moi, avec Issa Yanfour, on a fait à peu près 30 minutes par rapport à la situation pareille. J'ai dit, moi, je serai invité à la radio Kalangou. Mais à la radio Kalangou, je ne fais le cadeau ni au Pelé, ni aussi à Salif Moyaki. Parce que je sais que c'est les deux médiocres qu'on a dit de choisir le moins le mot mauvais pour le football nigérien. Aujourd'hui, les structures département football féminin, dont moi je représente ici, je vous dis, il y a une commission qu'on a mise en place. Issa Yanfour est le président et je suis son adjoint. Et cette commission, on n'en parle plus. Et pour vous dire, pour cette commission, j'ai fait un voyage d'ici jusqu'à l'Afrique du Sud. Et on a débattu le sujet là-bas avec toutes tous les pays du, monde, hein, pas de l'Afrique, tous les pays du monde. Parce que c'était pour l'évaluation des, des phases finales qui s'est passé en Allemagne football féminin. Donc on s'est retrouvé là pour la structuration. Maintenant, au retour, cette commission-là n'a jamais marché. Pire, à cause de cette commission-là que je bosquilais, bosquille aujourd'hui je suis à la touche. Dieu merci. Pelé est là aujourd'hui, il défend son mandat. Je ne suis pas contre Pelé, mais je sais que Pelé, avec ce qu'il a en son entourage aujourd'hui, ce n'est pas possible de donner un résultat. Rien que ceux qui cherchent à venir, je ne le connais pas, mais la tête que je connais lui-même, il n'est pas très bien pour le football nigérien. Et pourquoi Merci beaucoup. Parce que tout simplement, il était avec Pelé. Sadio Moyak était avec Pelé. Et qui ils ont combattu avec Pelé à l'époque ils ont combattu les personnes, ils ont fait une déclaration, ils ont quitté, ils ont claqué la porte. Aujourd'hui, Omar Sidi, qui était avec lui, qui ont fait la déclaration, ils ont claqué la porte. Il a rejoint le palais, il est, il retourné avec Pelé. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est les intérêts là qu'il faut voir. Je te dis, en football, il y a beaucoup d'intérêts il y a beaucoup de voyages. Et c'est des privilèges que les gens regardent. Ils ne regardent pas le travail. Sinon, en matière de travail, je vous dis très bien, s'il faut faire le bilan du Pelé, il ne faut pas voir que Pelé a mené euh, le Niger à la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, oui, d'accord. Et pourtant, c'est important. C'est très important. Mais il a trouvé un travail il a trouvé un travail parce que je vous dis, tous les joueurs là, quand tu le prends un à un, ils ont été sélectionnés par d'autres gens qu'il qui, qui, a trouvé là-bas. Donc c'est une continuité. Dieu merci, il a fait un travail, il a fait un effort, il a mené l'équipe. Mais au retour, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu un boom. Les gens ont réclamé beaucoup de choses dont il n'y a pas eu de lumière jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit Rien de tout. Et aujourd'hui qu'il qu'il parle de son bilan, moi j'aurais aimé que Pelé revienne un peu en arrière pour parler du passé et de tous les isanis que les gens ont mis dans le football notamment le déplacement d'équipe nationale sur Gabon, où il y a eu beaucoup de problèmes. Un, hein. deux, le deuxième problème, problème de Yassine Diallo, donc on a parlé un détournement de combien de millions, donc aujourd'hui Yassine Diallo ne fait plus partie de Pelé. Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut d'abord débattre avant de continuer. Je sais que Pelé n'a pas un candidat devant lui qui peut le battre. Mais je vous dis très bien, Pelé, il faut qu'il change. S'il change la stratégie, c'est possible qu'il puisse réussir. C'est lui le problème ou bien c'est son équipe C'est pas Pelé à le problème. Le problème, c'est l'entourage de Pelé. Je peux vous le citer. Je peux vous le citer si vous me permettez aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. Mais Pelé en question, Pelé, à chaque fois quand on demande, Pelé, elle fait. Pelé, il a toujours honoré ses engagements. Mais je vous dis très bien, Pelé a un mauvais entourage. D'accord. Voilà ce que je dis. Euh, tout à l'heure, dans, dans, le développement du bilan du président Pelé, Déjà, Gladim a évoqué la question de la gouvernance de la foot par euh, le président Pili. Qu'est-ce que vous pensez Mais la gouvernance de la fédération, il y a eu combien de vice-présidents et autres là depuis de, début de son mandat jusqu'à aujourd'hui Plusieurs. Chaque fois, c'est un changement. Un autre, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, c'est San Otis. Ça n'a pas démarré avec les San Otis et c'était Ibrahim Yacouba, qui est actuel ministre des, Affaires étrangères. Et je vous dis, Ibrahim Yacouba n'a pas quitté parce qu'il a l'autre tâche. Non, c'est suite à des années. Ils ont eu tellement de... Bien sûr, je vous dis très bien. Même si aujourd'hui ils sont ensemble, moi je l'ai dit. Là où je suis d'Antani, je connais beaucoup de secrets du football féminin et football même en particulier, en général du Niger. Ce qui en concerne la fédération. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent ensemble. Parce qu'on sait que si on n'est pas ici, on doit être par là. C'est tout, hein, c'est pas autre chose. du meilleur côté. Eh oui, mais du meilleur côté, bon, meilleur côté, c'est quel côté C'est le côté du Pelé. Le côté du Pelé, parce que Pelé a investi de l'argent, il a eu des clubs. que C'est le côté qu'ils ont choisi. Non, les clubs là que je vous dis très bien. Tu sais comment Pelé est fait pour les avoir Aujourd'hui, il y a combien de clubs à Niamey tu, as le, au moins deux tiers de, de clubs de première division à Niamey. Tu as combien à Zender, première division Tu n'en as pas. Nassara est où Pendant que Otus est là avec vous. Il défend sans intérêt, il ne défend pas le football des Zender, Aujourd'hui, à il tu as combien Paco a été combattu. Parce que Paco, il est toujours réuni pour le football des, gens de l'ADR. Aujourd'hui, à Tao, il n'y a aucun club. Gourmou, elle est où Vous voyez très bien. Agadez, il y a combien de clubs en première division Où sont les Irana et autres là Mais vous voyez tout ça là. Si on dit aujourd'hui les clubs sont concentrés à Niamey ou quelques trucs et autres seulement, est-ce que ça c'est un championnat Et je vous dis, la FIFA n'investit pas pour le championnat national. La FIFA investit pour le football des jeunes et compétition des jeunes. Personne n'a parlé du championnat. Non, ça je vous dis, vous avez parlé des championnats. Vous n'avez pas évoqué le championnat, mais moi je vais l'évoquer. Parce que le football dans un pays, il faut parler d'abord des championnats. S'il n'y a pas un bon championnat, il faut prendre. Non, mais on, on, va arriver au on aux, compétitions. Mais organiser comment non, on arrive à les organiser quand même. Vous avez parlé de structure. Maintenant, il faut le structurer. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, les championnats, comment ça se passe on fait un championnat, on dit aujourd'hui, on a porté réserve sur une telle. On retire le club, les points d'une telle, juste pour un club tom. Moi, je vous rappelle, lorsque l'autre, JST était en première division, comment ils ont fait les Karangama pour faire tomber. Je t'ai dit, c'est la même politique. Hein. Je ne défends pas Pelé et je ne défends pas Salis, je ne défends pas Karangama. Karangama a fait ça. Karangama a fait ça pour faire descendre JST en deuxième division. C'est ça qui fait maintenant aujourd'hui. Et nous, on a fait descendre qui en deuxième division euh, Non, mais combien Entre vous avec euh, la S-Douane, qu'est-ce qui s'est passé quelle a été la pratique Oui, mais jusqu'à même les Quelle Quelle a été la pratique alors en son temps oh Oui, mais la pratique c'était quoi C'était pour arracher le pont de l'autre pour donner. C'était la même chose que D'accord. D'Antani, en substance, est-ce que pour vous le bilan de ce mandat de Pelé est satisfaisant euh, en tant, que, maître de sport. Ah, par rapport à tous ceux qui sont passés, Pelé est satisfaisant. Je dis par rapport à tous les autres présidents qui sont passés. Ça, je vous dis très bien. Pelé est meilleur à tout ça là. Et je vous dis, j'ai dit ça dès le début, j'ai dit ne, rien contre Pelé. Pelé en question, c'est un bosseur. Pourtant, vous avez parlé de deux candidats face à face qui sont pour le moins médiocres. Médiocres qu'on choisit. Oui, mais c'est ça j'ai dit. Pour tous les candidats qu'on a connus, Pelé est le meilleur. C'est ça que j'ai dit mais le meilleur pas dans le sens où aujourd'hui Pelé, il n'y a pas quelqu'un qui peut le conquérir. Non, il y en a plein, les Nigériens. Mais celui que je vois en face de Pelé, je ne pense pas s'il peut faire l'affaire. Et pourquoi Pourtant, il a été ancien membre de la FENIFO. Il était l'ancien membre, il était à l'antenne de Rousseau. Antenne de Rousseau, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Oui, mais il n'est plus là-bas. Et quelqu'un qui n'a pas pu gérer un club, tu penses qu'il peut gérer combien de clubs Moi, je vous dis très bien, je ne suis pas venu, c'est pourquoi. Nous, on ne devient pas riche parce qu'on dit la vérité à chacun. D'accord. très bien. D'accord. Euh, je reviens à vous, Gladima. Durant le mandat de votre candidat, le colonel Pelé, que peut-on dire des différentes compétitions, qu'ils soient de la première ou de la deuxième division euh, Oui, Ayuba, vous allez me permettre quand même euh, un peu de, <laughs> de ramener mon cher ami à de meilleurs sentiments par rapport à l'appréciation qu'il a faite quant au dysfonctionnement des structures qui ont été mises en place. je crois que vous m'avez bien suivi. J'ai bien dit, à l'arrivée du colonel Pelé, on a mis en place un certain nombre de structures, n'est-ce pas Dans le cadre de la réorganisation, de la refonte justement de la gestion administrative de la Finifoot. Maintenant, les problèmes inhérents qui se sont posés pendant la gestion de la chose, c'est justement ce pourquoi nous avions dit que le mandat à venir va nous permettre justement de remettre de l'ordre. N'est-ce pas Quand on parle de consolidation, on ne dit pas que tout est rose. Ce n'est pas le rose dont vous pensez. Hein. On ne peut pas dire que tout est rose. N'est-ce pas Donc vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a dit Écoutez, euh, euh, Ayouba. Oui. Ce sont nos détracteurs, je me permets de les appeler comme ça. Ce sont nos détracteurs qui pensent que le colonel Pelé est perçu comme un messie, comme un don de Dieu. L'homme en tant que tel. À chaque fois que l'occasion lui a été donnée de s'auto-critiquer, il nous le dit souvent. Je suis à la tête d'une structure, je ne suis pas parfait. Et si vous qui êtes avec moi, vous ne m'aidez pas à, me remettre en cause, ce que vous n'êtes pas avec moi. Et c'est aussi euh, euh, ce que vous avez tout à l'heure, vous avez euh, à un moment fait cas de certaines personnes qui sont parties. Ils sont partis juste pour une question d'humeur. C'est au gré de leurs humeurs. Ce n'est pas, en fait, pour le, besoin de la cause, ce n'est pas parce qu'ils avaient, ils étaient convaincus que quelque chose devait être fait pour le football et qu'il ne l'a pas été. Ils sont partis juste pour une question d'humeur. Moi, je ne m'attarderai pas. Je ne voudrais pas qu'on résume le football nigérien à des individus, à des personnes. Non. Ceux qui ont fait le choix à un moment ou à un autre de quitter Pelé, ils se sont assumés, ils sont partis. Aujourd'hui, l'histoire est là. Elle est têtue, l'histoire, et elle se révèle telle que nous ne pouvions pas changer quoi que ce soit dans le comportement, dans tout ce cas et ce que nous avions connu dans l'exercice des huit ans du, président Pelé. Je suis d'accord avec vous, hein, je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Et donc, voilà. Et donc concernant les compétitions, qu'est-ce qu'on peut dire vous voulez parler des, des, compétitions, voilà, que ce soit de la première, de la deuxième division. Qu'est-ce euh, qu'on peut tirer comme euh, synthèse de la, euh, ce le, la première des choses, Ayouba, le problème au Niger, il n'est pas d'ailleurs unique au football, il est général. C'est le problème de financement. Si aujourd'hui nos équipes ont des sérieux problèmes, c'est parce que justement, ils n'ont pas euh, euh, de, de, de, société ou de mécènes à leur côté pour les sponsoriser. Et ce problème-là ne, ne, se limite pas aux seules équipes. Même la FENIFOOT, vous savez, lui qui est resté dans la maison, même s'il il dit avoir été mis de côté. J'espère qu'on ne vous a pas sorti par la petite porte. Si. <laughs> Ah non. Alors, qui le dit, il sait très bien comment les, les choses se font quand il s'agit de financer les activités de la FENIFOOT. Oui. Nous sommes obligés de passer à gauche et à droite pour demander à certains partenaires d'accepter justement de venir vers nous. Mais vous savez, ces gens-là, pour vous financer, ils sont exigeants ils, exigent une certaine visibilité, n'est-ce pas, de leurs produits ou de, leurs activités pour accepter un retour de vous financer. Mais nous aussi, nous avions des contraintes. Il y a des contraintes liées justement au sponsoring. Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas Ce n'est pas du tout donné, ce n'est pas du tout cuit. Il faut, il faut mener un travail, un, travail, lobbying euh, euh, euh, axé justement sur, comment dirais-je, sur une approche qui permet euh, aux partenaires de cerner le bien fondé. Et ils ne revient pas uniquement à la fédération de le euh, faire. oui, mais le ministère de tutelle, il est là pour quoi Le ministère de tutelle est là pour cela, même si quelque part, il ne s'assume pas. Ça, je le dis. Nous avions plein de problèmes aujourd'hui parce que quelque part, le ministère de tutelle également ne s'assume pas. On, on, va toujours vous parler du manque de moyens. Nous n'avions pas les moyens. Le foot, le foot féminin. Ah, Là, c'est vraiment le, boulot d'étanglement. Je suis, nous sommes conscients, grand dirigeant de la FENIFOOT est conscient que pour le football féminin, tout est à reprendre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de, un premier pas. Un premier pas a été fait. Je suis d'accord. Mais nous devions procéder à une refonte générale, n'est-ce pas, de ce, euh, euh, de ce domaine de notre football. Ça, dans le cadre du programme euh, pour le mandat à venir du président. On, va, on va revenir sur le programme. D'accord. Maintenant, ce qui a été fait durant ce dernier ce mandat de Pélé sur cette question de, football. Vous, l'avez, vous l'avez euh, suivi avec moi. Euh, l'un des concernés l'a dit. Une structure a été mise en place. Il y a des équipes de football, n'est-ce pas, qui, qui, sont là. Bon, Karim Kahan, comme on dit, elles existent. Elles, participent euh, tant bien que mal à des compétitions sous-régionales. Au Burkina, au Togo, et, tout dernièrement, c'était en Côte d'Ivoire, je crois. Et elles participent à des compétitions, mais des compétitions minimes, qui ne font pas en fait euh, parler véritablement du football du football féminin euh, dans notre pays. Et concernant ce, football-là, on verra bien ce qu'il faudra faire. Nous en sommes conscients et cela fait partie justement euh, de l'une des priorités du président pour euh, le mandat à venir. D'accord. Soleil Dantani, vous êtes euh, défenseur de la pratique du football féminin. Pour vous, est-ce que durant ce mandat du colonel Pelé, il a fourni l'effort que vous vous attendez pour ce foot féminin et également par rapport justement à ces compétitions au niveau des premières et deuxièmes divisions et même des jeunes Qu'est-ce que vous voulez tirer comme conclusion Merci Saini. C'est-à-dire d'abord, permets-moi de revenir sur ce que M. Galadima a dit. Et je souhaite que M. Galadima, comme vous êtes là aujourd'hui à la Fédération, que vous soyez peut-être un bon défenseur et que vous passez un bon travail. Mais je vous dis à ceux qui sont partis, ceux qui sont partis un à un, je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé avec Pelé pour le football nigérien. Peut-être un seul, il l'a fait et lui-même, on l'a chassé. Et je vous dis par rapport au financement. Paf, la, FIFA a financé. Nous, lorsqu'on est parti d'abord, c'était à, à 15% le financement d'abord du football des jeunes. Parce que quand on dit le financement de la FIFA pour le football des jeunes, c'est la compétition, y compris les, jeunes filles. C'est ça, qu'on peut soigner des jeunes. Je vous dis, ils ont doublé à 25% aujourd'hui. C'est l'arrivée des Pelé qui a eu cette opportunité. Et on l'a défendu. Moi, avec Laoli Garba, à l'époque, il était directeur technique. On l'a défendu et tout lorsqu'ils ont eu le financement, et je vous dis, c'est d'ailleurs, c'est pourquoi je vous dis, par rapport au football féminin. En 2007, c'était mon premier déplacement d'abord sur Ouaga. C'est un tournoi que nous, on a initié avec la dame qui est à Ouaga, à l'époque. Et à Niamey, il y a sept centres dont moi je gère. Comment je les gère C'est-à-dire, la fédération qui était là à l'époque, c'était les Gallo quand il y a un tournoi, il m'appelle et me dit Hey, Intel, il faut réactiver les centres. On vient, j'informe tous les centres, on fait un tournoi au stade municipal. Il nous prend en charge, on fait le tournoi. Et c'est à l'issue de ce tournoi chaque fois, jusqu'à intégrer Dosso dedans. Après Dosso, on a intégré Agadez. Et lorsqu'on a fait une sélection, c'est en temps qu'on a pris, soi-disant, équipe nationale, on a pris ceux de Dosso et ceux d'Agadez, on a fait un déplacement sur Ouaga. Parce que pour qu'elle soit nationale, il faut qu'on fasse tout dans, tout dans chaque région. Mais je dis soi-disant. Maintenant, au retour, en 2007, toujours en 2009 maintenant, je fais un déplacement sur Porto Nouveau euh, à Cotonou. Cotonou, c'est un autre tournoi parce qu'on avait un cercle entre nous de la sous-région des entraîneurs de football féminin pour à chaque fois on, organise. J'ai demandé ici au Niger, ça n'a pas pu passer puisqu'on a un problème de, financement. Maintenant, au Bénin, quand on est parti revenir, c'était avec même les équipes du Nigeria. Maintenant, lorsqu'on est parti là-bas, j'ai pris un directeur technique qui est Ali Gango aujourd'hui qui a pris ma place. Je l'ai pris comme un directeur technique parce que pour déplacer avec une équipe nationale, il faut qu'elle soit bien structurée. Maintenant, dès le retour, c'est en ce temps qu'il y a eu maintenant la guerre. Parce qu'ils ont vu que le déplacement football féminin, peut-être, il y a des intérêts dedans. Or, moi, je n'ai jamais gagné quelque chose dedans en ce qui concerne le financement et autres. Est-ce que vous voyez Maintenant, au retour avec Pelé, Gengou a pris la place. Mais Gengou a eu quoi Je vous dis, tous les déplacements que vous êtes en train de faire, c'est un déplacement. Moi, je n'ai jamais considéré, même si on parle là-bas, je dis AS Niami et vous dites équipe nationale. Et tous les centres qui partent là-bas, ils vont à leur centre. À leur centre. Oui. Bénin va avec un centre, Togo va avec un centre, Guinée va avec un centre, Mali, à Esmandé. Vous avez eh, eh, ici en Côte d'Ivoire, vous avez et eh, Gagnois. Et ici au Bénin. Tout ça, c'est des centres. Est-ce que Mais vous avez gâté le nom du Niger en disant équipe nationale et au fait de déplacement. On nous concasse et on revient. C'est pas bien. Et je vous dis, le centre là, que je vous dis, je cite Agadez et autres, par rapport au football féminin, vous ne pouvez rien faire. Parce que la fois dernière, j'ai suivi Pelé. Lorsqu'on l'a interpellé avec carton rouge là, je crois que c'est l'année passée ou l'année surpassée, carton rouge, il y a eu un débat où Pelé même, et il a décidé de rester et dire la vérité au Nigériens Qui n'a pas pu. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que il a parlé de, de football féminin qui est leur financement, qui même si on les met dans le football masculin, la FIFA ne dit rien. Non, il faut une tricherie. Parce qu'on dit compétition des jeunes, on ne spécifie pas. La FIFA ne spécifie pas dire c'est garçons ou filles, ou, filles. Elle dit compétition des jeunes. Compétition des jeunes, les filles font partie. Et c'est pourquoi Pélé est en train de les utiliser là-bas. Et utiliser dans quel jeune Non. Dans le championnat, là le championnat des jeunes. Parce que U17 là que tu vois, comment on l'a pris moi, cette année, U17 qui est partie dans les établissements et autres, c'est nous qui l'avons conduite. Elle était ici à Bédir. Le dernier match qu'ils ont joué avant de partir, avant de s'envoler, on a failli même tuer un d'entre eux. Nous, on a fait appel, on a dit attention, il ne faut plus engager les enfants là parmi les jeunes scolaires dans les compétitions. C'était ça. Mais ils ne comprennent pas. Les qui les aujourd'hui qui sont là, qui prennent la reine des choses et autres là, nous, on ne dit pas quelque chose. Mais qu'on accepte, nous, ce qu'on est en train de faire. On n'a pas dit qu'on prend la place de quelqu'un. Ils sont supérieurs à nous. Ça, je reconnais. Des points de vue formation, et ils sont supérieurs à moi. Mais formation football féminin, je dis qui que ce soit que vous allez prendre aujourd'hui, il n'atteint pas mon niveau. C'est pas possible. et aujourd'hui, tous les gens que vous êtes en train d'utiliser, c'est un à un, vous m'avez demandé, D'Antani, envoie-nous le nom d'un tel pour qu'il aille faire une formation. Je vous donne le nom de la personne, demain c'est pour me remplacer. C'est pas grave. mais c'est le que, qui est-ce que, est-ce que, euh, en ce qui concerne la relève, est-ce que Pelé a fait quelque chose Leur relève, oui. En dehors de l'équipe de U17, euh, je ne vois pas la relève. Hein. Parce qu'ils se sont concentrés seulement. Il faut que l'équipe se qualifie pour la Coupe d'Afrique. Qualification pour la Coupe d'Afrique. Or, nous, on a un problème. Je vous dis très bien. Benel, leur entraîneur, comment il a fait D'abord, directeur technique. Et ils ont commencé d'abord avec les jeunes. Hein. Et les jeunes, c'est dans chaque région. Et ici, euh, Fred a commencé le machin le même travail. Fred est parti à Arlit. Fred avait des jeunes là-bas qu'il encadrait. Ils ont eu un problème parce que là-bas, on a vu qu'il va prendre la place de Niamey. Maintenant, Fred a eu un problème. Fred, il est où On va me dire que Fred n'a pas de compétences, mais pourtant, il a été mis de côté. Et c'est ça qui n'est pas bien. Pelé doit avoir le courage de regrouper tous les entraîneurs. Et c'est les entraîneurs qui sont en train de mettre le bâton dans les roues parce qu'ils voient que le voyage est l'argent. Le voyage est l'argent. Ils ne voient pas le Niger. Fred est utilisable il n'est pas le seul. Lawal Garba, lorsque lui et l'autre, Maman Hassan Diouri, il était directeur technique, le jour où il lui mis, mis, sa fonction, j'ai bien dit à La Garba, tu as, tu as fait l'hypocrisie Pourquoi on a Maman Hassan Diouri. D'accord, Il faut Et c'était comme ça, et c'était comme ça, excusez-moi, excusez-moi il faut arrêter le, le, le débat personnel on, fait le débat. Le football nigérien voilà. C'est pourquoi j'ai voulu que les deux, candidats soient là. Comme ça, moi, j'ai dit ce qui me tient à cœur par rapport au football nigérien. Nous avions un amour pour ce sport-là. C'est pourquoi nous S'il vous plaît, puisqu'ils ne sont pas là. nous devions faire l'effort. En tout cas. Vous nous écoutez donc euh, dans le studio Kalangu, la suite de ce forum sur l'élection de la, à la présidence donc de la FINIFOOT qui va se tenir le 16 juillet prochain à Maradi. Nous avons, je le disais, dans ce studio Galadima Isaka. Il représente le candidat Jibrila Ima Hamidou Dipele. Nous n'avons pas pu malheureusement avoir la présence donc de l'autre candidat à sa force, à savoir donc Salifou Mayaki. Nous avons euh, aussi la présence de Souley Dantani, maître de sport, défenseur de la pratique du football féminin. Gladima, avant l'ouverture de cette campagne pour cette élection, un certain nombre de personnes qui avaient voulu porter donc leur candidature à cette présidence. Ils avaient déposé leur dossier. Euh, malheureusement, la commission électorale avait rejeté. Parmi eux, certains avaient porté le différent euh, devant la justice, notamment un certain Omar Saleh, dont la justice euh, s'est exprimée aujourd'hui. Elle s'est déclarée incompétente sur cette question. Qu'est-ce que vous pensez euh, oui, j'aurais voulu que, euh, quand vous avez parlé de cela, que vous dites qu'ils ont transmis leur euh, dossier à une commission électorale nationale indépendante. Alors, ce mot est si important pour vous faire comprendre que jusque-là, jusqu'où plutôt la FENIFOOT, j'allais dire le président de la FENIFOOT n'a rien à voir avec cette commission électorale. Elle travaille en toute impartialité et elle a les coudées franches pour mener à bien ses travaux. Alors, pour ce qui est des décisions de justice. Je ne me permettrai pas de les, euh, de les commenter, mais je voudrais dire seulement ceci. Ceux qui ont pensé que c'est cela le raccourci, justement, pour parvenir à leur sombre dessein, l'ont appris à leur dépens. Le faux, tel qu'il est fait, ne saurait prospérer, quelle que soit, euh, n'est-ce pas, la tournure ou, j'allais dire, l'ascension qu'on veuille lui donner on revient toujours sur euh, euh, ce qui est réel, ce qui est concret, ce par lequel, euh, par lequel nous pouvions passer, n'est-ce pas, pour obtenir des résultats. Ceux qui ont pensé justement qu'ils pouvaient passer par des superfiges pour jeter le discrédit sur la, commission électorale et au mieux, n'est-ce pas, créer une crise à l'interne ou une crise relative à la tenue de ces, de ces élections-là, je me dis qu'ils ont fait euh, un faux bond. D'accord. D'Antani, on a entendu trop de critiques autour, de cette commission électorale indépendante. Euh, vous avez écouté pratiquement toutes les deux parties. Qu'est-ce que vous pensez euh, Merci. Moi, par rapport à, la commission, je ne suis pas leur adversaire. Je suis venu juste parler de, vraiment du football féminin. je ne veux pas trop m'en dedans. Et tout ce que je sais, je sais que le problème qui va se poser, en tout cas à ces élections, il y a eu entre Himosole et Gallo, mais celui-là sera pire. en ce sens que M. Colonel Pelé, qui est le premier responsable, d'abord quoi qu'on dise dans l'introduction, je crois que vous a dit qu'il a l'avantage. Et l'avantage qu'il a, c'est au niveau de la commission. Il connaît la commission très bien. Et j'entendais même l'autre adversaire, son adversaire disait que eh, les gens qu'il a mis dans la commission, c'est des gens colmatés, tout ça là. Ils ont eu même un problème avec l'autre candidat. Bon, bref, j'ai continué Et aujourd'hui, on a dit, la justice a dit qu'elle est incompétente. Elle est incompétente, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que les élections auront lieu à date prévue Moi, je crains que le jour des élections, que Salou Maya qui ne postule pas, cest à ne rentre pas. Rien que sa candidature a été validée, aujourd'hui, le texte, comme vous a dit, le texte n'a rien prévu. Ce n'est qu'une hypothèse. Il bat campagne actuellement. Il bat campagne. Mais je vous dis, c'est une politique qu'ils sont en train de mener, c'est une autre politique qui n'arrive pas. tu n'es pas en train de leur souffler ça alors Non, pas du tout. Mais je sais que s'ils si refusent d'aller, en tout cas, un seul candidat ne peut pas se faire élire. D'accord. Dans, la, seconde partie de ce forum, on va parler donc du programme des candidats. Malheureusement que euh, le représentant de Salifou Mayaki n'est pas présent pour justement défendre euh, son programme. Les deux candidats à liste donc pour la présidence de la Fédération nigérienne de football poursuivent leur campagne actuellement auprès des clubs et ligues. Chacun des candidats a élaboré un programme avec lequel il est en train de battre campagne. Le colonel Pelé s'appuie euh, beaucoup plus sur les résultats de son mandat pour être réélu pour un troisième mandat et son adversaire, ancien membre de la Fédération nigérienne de football, sur la base d'un programme comprenant sept actions pour reconstruire le football au Niger. Tous les deux ambitionnent un futur meilleur pour le football nigérien. Gladima d'abord, sur la question de la gouvernance de cette fédération, qu'est-ce que votre candidat propose Bien, euh, Ayouba, fort de, la nouvelle dynamique, n'est-ce pas, lancée ensemble, des grands défis se, se présentent euh, le football nigérien, vous conviendrez avec moi, a besoin d'un programme ambitieux et innovant. Et pour les relever, n'est-ce pas Nous avions euh, le devoir de consolider le réussite du mandat qui s'achève et la volonté d'aller plus loin pour porter l'excellence du football de demain. Alors, la mise en œuvre de notre programme devra s'appuyer sur l'ensemble des acteurs du football. D'Antani, rassurez-vous, euh, on a pour, euh, en tout cas, mission de réunir tout le monde autour de nous quitte maintenant à vous d'accepter cet état de fait. Il s'articule autour euh, des points suivants. Euh, le renforcement des performances et la, et la, compétitivité du football nigérien. À travers euh, ce, ce, chapitre, justement, nous allons essayer d'amplifier les efforts en matière de détection et de formation des talents. Ensuite, suivra, nous allons essayer de créer de meilleures conditions pour le succès de nos sélections nationales, en tout cas à tous les niveaux euh, que cela soit. Nous allons également opter pour un passage à un football professionnel au niveau de la Ligue 1. Une il s'en suivra, bien sûr, quand on parle de passage à un football professionnel, il s'en suivra une restructuration des championnats de la deuxième, de la première, de la deuxième division et mieux, il y aura une création euh, d'un troisième niveau de compétition. Parce que euh, vous savez qu'aujourd'hui, il suffit juste de créer un club pour que, paf, on se retrouve en deuxième division. Et le problème auquel nous sommes confrontés, il a, il a eu à le dire tout à l'heure, Niame euh, regorge d'une trentaine ou au-delà, hein, d'une une trentaine de clubs en D2. D'accord. Galadima, c'est une esquisse de votre programme que vous venez donc euh, euh, de faire connaître euh, les auditeurs donc du studio Kalangu. malheureusement, on n'a que quelques minutes devant nous. Dantani Soleil, vous avez certainement vu les programmes des deux candidats. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux programmes Les deux programmes, quand même, candidats, Pelé a parlé du football des jeunes. Et, et là-bas, aller jusqu'à dire que dans les établissements et autres, quoi. C'est-à-dire euh, public, euh, primaire, collège, jusqu'au lycée. <laughs> Donc, s'il fait cela, si le programme y est, en tout cas, je pense que c'est un bon programme. Mais là où encore, je me dis que c'est un peu inquiétant, c'est-à-dire avec deux mandats, il n'a pas pu le faire. Mais si aujourd'hui il le fait, c'est bon. Mais après ça, il faut compter quand même sur le championnat national. Et après le championnat national. Je vous ai parlé des restructurations. Oui, justement. Oui, justement. Mais tu sais, quand tu fais l'appellation un peu administrative, il faut aller un peu vers technique. Ça sera ça. Les gens vont pour, Il en sera Parce que regarde, aujourd'hui, un mot, sur le il y a programme. qui ne même pas ce quoi le football professionnel. Un mot sur le programme de Salut. Un hein? mot sur le programme de Mayaki. Euh, sur le programme Yaki, bon, moi, je n'ai pas le contenu du programme de Yaki quand même. En tout cas, je ne connais pas, je n'ai pas ça. Donc, je ne sais pas mm. ce qu'il envisage à faire. Tout ce que je sais, c'est une nouvelle tête qu'il cherche à venir. Si elle vient, peut-être elle a vu des erreurs, peut-être elle peut corriger. Et je souhaite que ce soit ainsi. Voilà, merci, merci donc d'avoir euh, accepté d'être l'invité donc du forum du studio Kalangu. Je rappelle que nous avons eu dans ce studio Galadima Isaka, il a représenté le candidat Jibrilahi Hamidou Dipele, Souley Dantani, maître du sport, défenseur de la pratique du sport du football féminin, euh, malheureusement, nous, n'avons pas pu avoir donc la présence du représentant du candidat Salifou Mayaki. L'important, c'est d'avoir euh, donc un président de la fédération nigérienne de football pour un, football nigérien futur et meilleur. Merci. Euh, Rendez-vous donc euh, le vendredi, donc demain à 18h15 avec euh, Rahila Toussoumana pour le forum de la presse euh, du studio Kalangou. Merci et au revoir.